bonne qualification yi ngay Sénégal def a participé vraiment jeu ko mhm. mais aujourd'hui tu dis bi moment es a mes club mhm. salut 6, mu doon négocier avec benn club mhm. qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé a mu dem négocier avec le club français il négocie avec le club français il y a un dirigeant de le du comité exécutif de la fédération sénégalaise de football. Mhm. mu dem gisi club boobu ne ko xoolal kii bi ah suspendre non non. il a besoin. dafa nekk dans le besoin dafa faut a dem coupe du monde. jëlal salaire bi kase ko kase ko. ça va. au nom de Dieu. Hmm? voilà ce que un dirigeant. a fait ba yakal boy parce que Boy bi heure bi waroon na am. ban ban pour def non yak non nit.